Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Samira Wafi et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va très bien Samira et toi ça va. Alors, euh, qu'avons-nous au menu ce matin Comme d'habitude, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'information pour commencer qui nous est présenté ce matin par Tarnan Foudé Ahmed. Ça suivra de la revue de la presse et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlons entrepreneuriat. Comme invité de ce matin, nous recevons M. Ilyas Abdou. C'est un jeune rappeur plus connu sous le nom de DJ Avimatek. Toujours dans cette émission, il y aura aussi Dispora pour le cours des régions. Nous allons à Difa pour parler du biram, un instrument traditionnel du loti avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique avec Alamine Ouachera. Nous allons clôturer avec le message vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Amina Hassan. les flashs le flash d'informations avec Ternan Foudé Ahmeda Bonjour Ternan. Bonjour euh, Mariam, bonjour Mira, bonjour aussi euh, à, nos invités. Bonjour. Flash euh, d'information aujourd'hui. nous commençons par les chefs de l'État euh, le président qui a récit hier le comité directeur de l'Union des scolaires nigériennes et l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey Lienoun. Selon Efred Moulou Al-Hassan, le SG du comité directeur de l'ISN, cette rencontre leur a permis de présenter au chef de l'État, le général Abdraman Chani, les situations dans lesquelles sont les scolaires nigériens au niveau national tout comme à l'extérieur. Euh, première euh, édition de la semaine numérique a été lancée hier jeudi 18 avril 2024 au Centre international de conférence Mahmoud Gandhi de Niamey sous le thème Le numérique et la souveraineté. Pendant une semaine, les échanges auront lieu entre les experts, investisseurs et start-up pour une utilisation plus accrue en vue de booster le développement économique du Niger. Il faut retenir que cette activité a été initiée par les ministères de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Euh, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a procédé hier, 18 avril 2024, au lancement officiel de consultations publiques relatives au classement d'une aire protégée pour les girafes du Niger à Kourou dans la région de Tilabiri, Selon le ministre Abdoulaye Maizama, les consultations qui, se poursuivront sous la conduite des gouverneurs des régions concernées, les préfets, les administrateurs délégués permettront de recueillir les atteintes et les préoccupations des populations locales relatives à la création des aires des girafes. C'est tout pour ces flashs euh, d'information. Merci Tagnana pour le flash info. Passe une excellente journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons ce matin un jeune rappeur nigérien du nom de Ilias Abdou. Bonjour Iliasou. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant d'entamer nos échanges avec notre invité, on vous laisse découvrir l'un de ses morceaux. On vous propose le titre Dari X. 2024. Man, yo, hein? Hein? Ditarno, man, yo, huh? Ditarno, huh? You back on Ditarno, you back on man, yo, huh? I get the MC Kimono, I go no get to Kimono, I might see can get a la, Ukinji, Tarno, Tarno, Tarno, yeah, Tarno, Tarno, Daddy, say, ina, ina, Daddy, say, oh, Daddy, say, ina, Kino andinia baramai Giri zongu koyo suwa oh. Kante de zambaru zongu Kere de bere de bere si inda bere kiti kene Ere oh. mere bondan MC tere si de padala MC bobo gona kansi bagoy Kade de dulu Ik baat hai Ik hang kafe Tontono whisky Goy mosino Ay bora matano negti Kade de zetere Ere koyo de mere wada aiki ki halai ki dangai ruwai mai kansu bai ye ni hasaro banda ni bai mu bar su ba ni aiki ta mc kimo aiki wanda ghetto kimo it's in the ganja kimo man ni mama gonde no run this goy ni papa gonde no run this goy mm sani no yo sani no mm sani no man sani no mm tali bere no daddy it is say ina ina daddy it is say they they say, nah, nah, they they say. MC, it made a bondango era. Uh, man, it made a bondango era. Uh, yo, Antonio Gore Matafala. Uh. Sanino, ina ina no go bagumo. They uh-huh. they say, uh, they uh-huh. they say, ina ina, they they say, uh, they they say, ina ina, they they say, uh, Samano Karmai, Yenisindi Badala.

Voilà, c'était là notre premier titre et c'est celui de notre invité du jour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il faut nous donner au bon Donner au bon, bon, avec Niging Et derrière, c'est bon titre nga donner au Je ne mhm. jeunesse bon Vraiment, eh, il go gré à Wendy Gumo. de MC Foyang. et Grima Eserno quoi. Oh donc vraiment wani sai na indo no te ibon kan gana ga irmir bondango ra dum antiaro la boskina yadin donc ni gidi fo an gidi gorea kini zarra igonori kare da atai sisia kino mo yarno ça veut dire que ici ne goino quoi yarnga wani sai no ainin do no te ibon C'était là notre première note musicale dans cette émission, Le Niger sur Kalango. Voilà. Il y a ce pour commencer. Oui. Dis-nous, moi, tu as dono. Bon, dono kanga sintine vraiment lokaci yoro ay du coro yang kan igay encourager gumuno. Mm. Donc lokaci yoro mo sindi tan yakin kanga fata zama lokaci yoro ay ken gumuno vraiment mm. mais mais ziko sintine go furay ces ay go zanketre. Kanga sintine mo ka ay go hangane gigi arafat da pop simok donc artiste ndeno na idan musique ra zama har kano kane ba son mo eh, har ngi dimo kan wadin ga dai da na bai muka ai bai min ha da da artist yan gono mhm. kan kani ni se kan ne bai gen daga tonan nan kan ne no wo donu nigati okay inga dai no okay same za a ka kitirara o inga dai no irgo kuma mhm. kan vraiment iga furir sino kwa danga aina ilakalo dan norin kulo

to agan ginga son single fo bonu go agan bananta mm. matuno ma wat fo na bananta o e, bi vendredi na fata vendredi euh, le 19 non mm, oui. Euh, hier, c'était euh, le, 18. Le 18, Aujourd'hui, c'est le 19. Voilà, donc c'est hier. Bina mhm. Fata. Mhm. Gabi. Ok. Donc, titre Gabi, eh, ça veut dire que lokacin kan bor sin ba da la e eh, gani bor ke binon kan kayo hun amma lokacin da bora ta sin kina onor mm-hmm. <laughs> haro asjanga te la zame hay kan sa don ite kan lege we ga kele bayan gine we fam da zaram kino kini don mm-hmm. na yin kaseto to madala deja aig be kan ir hangan kai mhm. igo ma zagam china ig ba im banin wo nuwo go mancin wo nuwo zagam no irga ba yigum bai <laughs> ah ayo yana no yana o yana ah okay to est ce que ni ginga ci se um, yana wo etni fono kote fono igo no de burkina burkina burkina isi kala kulpelengo mm -hmm. ouais. mm -hmm. so irga ba yirbe ndiyo ga ni mi jikwa go évoluer nuwo ko de guinée vraiment zame ay gondo kuras ay be mo kan kuras o goy se inshallah dir ko da ko gine zame de bon ngo sambu yamu ingina gate yamu de bor go gabi e bor go mil mo kan agate inshallah agate zama goy ter kan na te yar nga bahi kan ga ko tino donc ay go mil kan inshallah ken ken na agate reno inshallah dir ko yadda to irg bayr mbe sonno don margeno goni ni saison vraiment don kan gwai se ato isu wakin hakuya me kul choses kin se ba zam son kul na sintin zaram kin ote Ok. Madela, euh, la première partie on a retenu que vraiment Arach Chanson era no Fourtaye prise de conscience oh, au ah bon. le fait que igogoro ici te haikulu ouais. wadin igoga kama bi igogoro ma sar wallahi <laughs> zamo ki di ne mc no to mc mo mc de no MC wo MC no ça veut dire que MC est kula fol mo MC est gochara <laughs> to MC est gochara zama MC foyan gonu bin kan kadede ingam goy yeah, to foyan mo sindi bin yarn on continue toujours avec notre invité. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec l'artiste chanteur DJ Avimatek et avec lui nous parlons de la musique. Alors, Irbirum continue et nous on dit on il performance live. Artiste maka musique instrument et Il faut importance no agonda artiste vira no wor nigi faham kan lele bora gonde eh, inspiration no ni fam kan lele bora o no kamba kaseto kanga go katre mate montas no mm -hmm. zamboryang mil kan kaseto mat kan irgo gutera montas no mm -hmm. alors que boryang mo gon kan lele vraiment montas no bay ben, boryang gon kan direct ya kino din temo alhamdulillah boryang makani donc eh, ay kan se akan nous on bekte concerné o oh. bon ay bege ay be jamais ay invité ay quelquefois non ay invité jour mais sans fallan de nay monté jour et à ton avis ça a été comment maintenant on dit public au réagir en tout cas il m'a kan jour mais nigérien une il faut que kanga si qui tes armes kin am mm. vraiment il m'a donné kan mais ne ngai si ma kan ay kangara donc on c'est mon ay barmen ga sintin ga zaram kinte so kun banim collaborer avec les autres artistes nigériens pour faire d'autres chansons oui comme ça si par exemple oui, ça tombe juste euh, là-bas aussi. Déjà, est-ce qu'une belle collaboration in de Borfo Bon, oui, avec les kangaroo Les générations, même même as kangaroo sintine danga euh, son zankitaje den kango sintinde no irkale vraiment ergonde collaboration de euh, Mahmoud Yoni mhm. donc lui aussi je pense que vous le connaissez donc inga mo aibe koy ne fa kare fote vraiment anay no ga zama anay yan encourager gumuno donc to madalla igbang bay ni donera il faut que tu samba kan ni to nan di faut tagay tu sonda c'est vrai que c'est nigi hayo sensibiliser il me ma oui il me tongue bon si mais la plupart de tes chansons elles globalement il faut bon non non cela sanson e, e bayan kul kanga igo te ay mon pe ay mon be te sanson kan sande fo bon kamanti bore me evoluer mm -hmm. danga ka de de rem ko kar labo sikin kamanti goyino labo sikin mo kamanti zeno me zama ir baba go de ge zeno zama e doni bayan kul kanga igi te o yarno ay mon be ge don fo te kamanti eh rem duga avancer to mhm. irba koy ban igon échanger e avec toi et on espère que prochainement il va rencontrer pour que maintenant les musiques mais pour le moment il va hangan kai dino on fan à travers nos radios partenaires Niger d'Amira donc donc est-ce que il do freestyle fou freestyle ouais arang so il zaram kin gana de mhm. ok et kendi kendi na mhm. donc irimekano borfoyando jangeno irigambano borfoyando jangeno irigambano borfoyando jangeno irimiri kwesawo nize nize wiri kwesawo irimiri kwesawo irimiri kwesawo nize nize wiri kwesawo kendi kendi irikwemero wa kendi kendi wa ik Oh, à couper, ah, bravo! <laughs> En tout ah, cas, ah, comme c'est ma première fois. Oui, oui, oui. <laughs> comme c'est ma première fois, vraiment, en tout cas. en tout cas, <laughs> oh, merci beaucoup. Merci. kendi kendi irko emirwa kendi kendi irko emirwa mhm. kairi maha ha mhm. woni en kulo menan kifenda lasere bo ibonde ne selling mais vraiment on connaît aussi informé à qui nous <laughs> donc euh, inchallah ça va aller en tout cas chers auditeurs j'espère que vous l'aurez compris c'est un jeune artiste qui vient à peine de mettre ses pieds dans le plat pour rentrer dans le monde de la musique, un monde comme on le dit d'habitude sans pitié pour qui vient d'entrer. En tout cas, il fait son petit bout de chemin que tout se passe bien pour toi et on te souhaite vraiment une très belle carrière euh, musicale. Merci beaucoup euh, didier DJ Avimatek d'avoir répondu présent à l'invitation du studio Kelango. On espère te recevoir très bientôt. Nous te souhaitons une agréable journée. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est la revue de presse et nous sommes dans ce studio avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira. Alors, pour la revue de presse de cette je t'annonce, Rafika, le discours musclé du colonel Ibro contre l'aile profondeuse d'Eilabou, saniste réparu euh, du nouveau républicain le 18 avril 2024. Effectivement, Samira, la manifestation pacifique de rue organisée le samedi 13 avril à Niamey par la synergie des organisations de la société civile nigérienne pour exiger le départ sans délai des soldats américains sur notre territoire n'a pas mobilisé grand monde. Environ 5000 personnes se sont regroupées à la place de la concertation. Selon le journal, cette mobilisation populaire, comparée à celles qui ont marqué la longue lutte pour chasser les soldats français de notre pays, n'est pas surprenante et était prévisible du fait que le CNSP ne s'active pas pour donner des signaux forts quant à sa réelle volonté d'établir la justice sociale exigée par les populations. Le colonel Ibro, lors de la manifestation, a pris la parole en s'en prenant à la frange de la société civile qui était absente. Il dit, entre autres, je cite, c'est ensemble que la lutte est porteuse. Une seule frange isolée ne pourra rien et la lutte pour la sauvegarde de la patrie nécessite la mobilisation de tous. Les critiques des uns et des autres ne peuvent pas nous contraindre à nous dévier du chemin que nous nous sommes tracés en dehors de Dieu, avant d'ajouter que quiconque s'imagine que c'est lui qui nous oriente, il n'a qu'à revenir sur le droit chemin pour faire ce que nous lui dirons de faire, de suivre ce que nous faisons et de rester avec nous. Quiconque tente de s'interposer entre la population et nous s'attirera des ennuis. Fin de citation. Et dans son édition d'hier, le journal Le Courrier considère comme une boude les propos du colonel Ibro qualifié comme un signe de divorce annoncé entre le CNSP et le Front patriotique pour la souveraineté avant d'ajouter qu'après une rencontre, le Front patriotique et le CNSP, tout entre le Front patriotique et le CNSP, tout est maintenant rentré dans l'ordre. Rafika, la Chine et le Niger s'entendent sur la vente du brut avec déjà une avance de 400 millions de dollars soumis par l'agence nigérienne des presse le 13 avril 2024. Et oui, Mariam, le premier ministre de la Transition, M. Ali Mohamed Laminzen, et le PDG de la société chinoise CNPC, M. Zou Zhuokun, ont procédé vendredi 12 avril 2024 à la formalisation de trois accords pour la vente de Brut du, qui revient au Niger avec une avance de 400 millions millions de dollars que le Niger a sollicité et cela sur 12 mois avec un taux d'intérêt de 7%. Aussi, l'emploi de ces ressources est d'ores et déjà inscrite dans la loi des finances qui a été votée puisque ce sont des ressources qui appartiennent au Niger et seront légalement utilisées, rassure la partie nigérienne. Dans la même semaine, le journal L'Indépendant rapporte hier 18 avril 2024 que le Niger vend 150 millions de litres du carburant au Mali. C'est suite à une signature d'un accord de vente de carburant le 16 avril 2024 entre la société nigérienne de pétrole Sonidep et la société énergie du Mali EDM. Selon le ministre du pétrole Mohamed Mustafa Barke, cette opération entre, le, entre dans le cadre de la synergie d'action entre les deux pays tous membres de l'AES qui doivent s'aider mutuellement. Il a par la même occasion annoncé la création d'une raffinerie par les l'État du Niger à Dosso pour ravitailler les pays membres de l'AES. Rafika, les professionnels du média, deux médias plutôt nigériens, créent euh, le Cap Média Niger pour soutenir le CNSP dans son engagement pour la souveraineté du pays, soumis par l'agence nigérienne de presse le 16 avril 2024 les professionnels de médias nigériens ont, à travers une déclaration de presse rendue publique mardi 16 avril 2024, annoncé la mise en place du cadre d'action des professionnels des médias du Niger en vue d'améliorer les conditions de travail des médias dans un contexte de sauvegarde de la patrie. L'objectif visé à travers cette déclaration est la mise en place du cap Média Niger par les professionnels de médias publics et privés du Niger en vue d'apporter leur soutien aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la lutte pour la souveraineté nationale en plaidant pour l'amélioration des conditions de travail auxquelles font face les professionnels des médias nigériens. À cet effet, le CAP Média Niger vise entre autres à promouvoir la liberté de la presse dans un contexte de refondation et de sauvegarde de la patrie. Aussi, cette synergie entend entreprendre des actions de plaidoyer et de lobbying en faveur d'une prise en charge maximale des légitimes attentes des professionnels des médias de la relance du processus de la signature de la convention collective de la presse, la mise en œuvre de la loi sur la publicité, le rehaussement de la subvention allouée aux médias publics, le recrutement de tous les agents contractuels au niveau des médias publics et bien d'autres. Enfin, le cadre appelle l'ensemble des journalistes et les organisations socioprofessionnelles des médias à se joindre à eux pour l'atteinte de leur noble objectifs. Et voilà pour la revue de cette semaine. Merci, beaucoup, Samira, à c'est de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. Au Niger, à ces dernières années, les femmes et les jeunes femmes embrassent le domaine de l'entrepreneuriat de manière informelle, notamment. Madame Aboubakar Hawa Mouni, entrepreneur, a abandonné le travail de bureau pour s'impliquer pleinement dans son entreprise. Elle commercialise diverses épices conditionnées et selon elle, cela marche très bien. On l'écoute, elle est interrogée par Hawa Ousmane. Shin ko za ki ba mu kaɗan daga cikin tarihin kasuwancin naki? Na fara ne a 2015 shekara ta 2015 ina wata entreprise privé ce nan nike aiki. To wurin da nike aiki akwai wata nan tana sai da kamar wanga inan sashe na ambalaj Shi ke sai nike ce mata ni ma da ina son kamar in rinka kasuwancin ina ambalaj kamar ina sa ka ina yin prodi na na kaina sai take ce mini e in yi ese yana yi insha Allah shikenan ita dai take bani haka dai shawarwari sai nake ce mata yanzu ina so in yi rinka yin kaman shika duk abin da dai shahai kayan girki kayan miya yaji da su tanka su garin tafarnuwa ta bani shawara sai na ce mata oke to zan fara sai na tambaye ta ambalaj din da ke gare ta ledodin da ke gare ta mm. sai ta gaya mini sai kuma na ce kai ina dai ezite dan ta gida na shawara sai na ce kai fara zan sai na fara sannu sannu sai na ga yana marshe abin yana tahiya daidai sai na fara zuwa alimentation da su da lai supermarket na ta yi na musu presentation na musu presentan kayan suka ce gaskiya eh, abu ne mai kyau E, to akwai wannan wurin su sai ce mini yanzu da in nemi bot zai fi farafor ga tun da cikin wanga sashe mutane suna ganin kamar kankantar su kuma suna kaman yayi tsada sai na ce mishi oke ba matsala duka dai na yi gaba ɗaya na ce su in musu cikin irin robobi in so su kuma wa'incan da ba su iya ɗaukan cikin manyan kayayyaki sai in musu eh, na fara haka nan sannu sannu cikin sunan ɗaya wurin inda nake kaiwa mhm. sai ce mini kamata yanzu in ta in yi registry commerce takardu na kasuwanci kamar kayana za su fi shiga hakanan ba mu shigar ma sai na ce mishi oke tunda ni ban san inda ake duka da komi da komi shine ya gwada mini ya ba ni contact na ta yi can na je na yi an yanzu duka na yi wannan. shin ina so in ji gidan bubakar eh, hawa me ya ja hankalin ki kika shiga a cikin harkar ta kasuwanci. da yake na yi da karatu to entreprise privé ne nake ce muku ta wani tonton ina ne to nan nake ina yi to su kuma kaman irin tefuwa wani bi tanto ana samun aiki tantu haka nan kamar ba su samu kwantara sai na gani kaman wani bi ga na ina zamani da fu aka a yi salar ma yana ɗaukar lokacin ce to dan me yasa ba na samu ba wani sana'ar hannu in fara yi na tanda in ga abin da Allah zai yi cikin iko Allah ko da na fara gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah da yanzu haka ga ga da nake ina da ma masu ɗaukan kaya ana kai su hawo shi kamar mali Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire marquant une autre pause musicale, n'est-ce pas, Mariam Oui, Samira, je vous propose les titres Hakinso de Rekia Moussa sai cette pause musicale, Samira en passe à l'écho des régions qui nous amène à Difa pour parler du birama qui est un instrument de musique traditionnel originaire d'Afrique de l'Ouest. Au Niger, dans le département de Ngimi, région de Difa, le biram joue un rôle important dans la commune de Boudouma. C'est un instrument à cordes généralement au nombre de trois. Il ressemble à une petite guitare avec un corps fabriqué à partir d'une calebasse. Il est souvent joué lors des cérémonies, des événements culturels. Cet instrument est en voie de disparition à cause du délaissement des traditions au sein de la communauté Boudouma, déclara Abakakambo, représentant du chef du village de Kudo Kindila. à Ngingimi, il est interrogé par Abdoulaye Maina. Biran kuma shi ba komai ba ne itace ne haka kawai za a kakkashe wannan itacen a samu zare. Zaren ma kuma hawa-hawa ne ba kamar na kuntigi ne ko kuma na kalangu ba. shi igiya biyar ne da shi mu dai a iya sanin mu a kabilar mu na budu aka san biran to kamar shi wannan abu da kai batu da shi kida yake bada sauti ne ko menene sauti yake bada kuma akwai wanda yana kida shi kuma ya dauki ice daban da irin ite kanana haka wannan yana, yana kiri shi kuma yana kiri shi kuma yana biga abin nan din sauti ne yana bada. mutum nawa ne suke haduwa su yi wannan aiki mutum biyu ne kawai abin da suke haduwa amma kaga mutum da yawa wurin sauran da kawai sun zana da suna saurara shi biran da mutum guda ne yana yi mai kidin ma mutum guda ne yana yi to kaman waye ne yake kadawa shi wannan biram din shi biran din nan ana kada babban mutum ainihin babban mutum mu a lokacin kasan dukiya mu buduma sanu ne wanda yake da sanu da yawa wannan su aka kadawa kai a wani lokacin ma ba ma mutumin ba shi sanun ma kasan sanun akwai kyakkyawan sanu ko sa'a ne babba akwai wanda ya a ruwa kasan aka zuba shi cikin ruwa zuwa wani tudu wannan sai da jagora jagoran kuma sa'a ne a nemi shi sa'a wanda shi baya haifuwa to wannan sa'an nan shi ya saba sanu suna bin bayansa wannan in ya shiga ruwan nan ba zai saya ba har gauran sanu suna bin bayansa har ya je ya hayar da su sannan kuma ya saya to wannan irin wannan sa'an nan ma ana yi mishi kidan nan a lokacin nan mu kasuwa ma bamu sani ba sai ciwon mutano wanda ma bayi da sanu da yawa yana da kaman sanu hamsin zuwa kasa ma ana yi mishi amma wanda yana da sanu dari zuwa dari biyu zuwa dari uku wannan shi shine an fi yi mishi wannan kidan nan a wani lokaci ne ake kada shi wannan biram nan shi mai kidan nan takanas ma zai tashi in ya ji wannan wani wani zarimi wani kuma an she mai sanu da yawa wannan ma takanin za a zo a dauke shi a kai shi wurin heyo ayyo kidan nan wani ma shi da kanshi ne zai tashi ya tahi yayyo kidan nan a takaice dai babu wani lokaci a kowane lokaci ana yin kiran wannan kidan. kowane lokaci ana yi in aka neme shi kowane lokaci ana yi wannan abin To yanzu kaman wani sako ne wannan kiɗa yake ɗauke da shi, mi da mi ake faɗi, wani irin sako ne yake kaiwa ga kunnuwan al'umma. Sakon da yake kaiwa kunnuwan al'umma wannan wannan kalisa fa shekara talatin da uku wannan halayen mutane suna canzawa. Yanzu wannan masahofin mai yanzu suna na wannan ma suka ji firan wannan dole za su tuno abin da yake biyo baya. Kuma yana hada ka haɗin kai sosai. Bangaren zaman lahiya ma shi ma yana hada su kan biran wannan. Menene matsayin biram ga kabilar buduma? Menene mahimmanci? muhimmancin shi yana da muhimmanci sosai saboda yana bara sauti sosai sauti nan da yana bara kamar ma'ana ne wanda yana jin budumanci wannan yana jin su filla filla filla filla haka abinda yana faɗi duk yana ji yana kawo haɗin kai sosai yau gashi nan wannan kiɗan yana so ya bata e, eh, a doron ƙasa kusan ko akwai shi ma sai dai can ɓangaren ƙasar chadi da sauransu a ganin ka mine ne ya kawo haka abin da ya kawo haka mu sauran al'adunmu wannan na budumomi wannan su da wannan suna kokari har yanzu amma dai mu namu na niger wannan wannan al'adun amma bar yanzu ya wuce biran da shine na farko bayan biran akwai wani abin da hausa ana ce mishi gurmi gurmi wannan su ana ce mishi kumbi da mutanen niger wannan kumbi wannan ne suka fi sani kumbi wannan suna yi suna yi suna yi yanzu kumbin ma ya bace a buduma wani kokari za ku yi dan ganin kun farfado da wannan al'ada ta biram shi al'ada ba haramun ba ne tun ya rike al'adansa kuma wannan haɗin kai din ma ba wajen samari ba har manyan ma za a kawo wannan shawarar nan saboda wannan al'adun nan kar a bace ya bace a doron kasa saboda kowane kabila yana nata al'ada mun namu budumomi ne muka bace har ya kubuce mana to yanzu ne kiran ka ga sauran al'umma dan ganin sun ci gaba da riko da al'ada musamman ma kabilar buduma wajen riko da biram ina kira da yan wani budumomi wannan al'adar na kar mu bace bace su yo kokori kokari wannan al'adar nan mu da shi kaman da wannan mu rike shi hannu biyu biyu biran mu ga mu yadda na ga biran mu ga ke tu shi adan ga ma ne a shalai ga dinga mu ngam ga ti a adan ga mu wani biran kar biran mu kumbi kumbi do da mu da mun ka ce ma shalai na koi da yin na shi mun nauyo mi ka hodi ne a yaran Hausa idan zaka fassara mana abin da na hodi a Hausa nake kaman biran da mu ne mu muka san biran biran wannan an ba budumanci ba an ba yaren buduma ba wanda yana rike da takaddiran wannan mu ba mu sani ba kalangun ya zo ya shiga a baya kalangun ma muna yi muna yi muna yanzu shi ma ya riga ya bace wannan mu yi kokarin mu kama Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, nous allons à présent parler de sport et notre chroniqueur sportif du jour, Sario Adam, est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Myriam. bonjour Mariam. Bonjour Adam. Alors, dans ce dernier numéro de la semaine, nous allons parler de la reprise officielle des activités sportives de la FENIFOOT avec les 16e de finale de la 49e édition de la Coupe nationale du Niger qui a démarré ce mercredi 17 avril 2024. Adam, avant de nous donner euh, le programme des matchs, tu peux nous dire euh, quelles sont déjà les équipes qualifiées pour euh, les huitièmes de finale Bien sûr, nous allons d'abord parler du leader de la Super League, le championnat national de première division du Niger, Fan, qui a infligé une cinglante défaite de 4 buts à 0 à Marhaba FC de Dosso le mercredi 17 avril. Le Zumunta a perdu un but à 2 ici même à Niamey contre le Zangorzo FC. Adifa Difa, le Nima FC a battu le Dankasawa de Maradi sur le score de 3 buts à 1. Hier, le TPC, Tagour Providentiel de Dosso, a perdu à domicile sur la petite marge de 1 but à 0 contre l'Urana FC. Et le Wombay AC a fait un match nul de 1 but partout après des temps réglementaires et a réussi à battre l'équipe de l'université Abdou Moumouni de Niamey sur le score de 4 tirs au but à 3. Aujourd'hui, le club de la région de Tilaberi, le Songoncha FC, sera opposé à l'Antarki FC des Anders au stade régional de Tilaberi. Et ensuite, la Renaissance de Niamey contre Abzin FC. Et le National de Dandi de Dosso contre le Sahel Sporting Club. Merci Adam pour toutes ces informations sur la Coupe nationale du Niger. Parlons à présent de la Fédération nigérienne de football qui a précédé à la réception définitive des différents sièges des stations régionales de football. Eh bien oui Mariam, après Dosso et Tawa, c'est le tour de la région d'Agadez de réceptionner ce mercredi par le biais du président de la commission des infrastructures de la FENIFOOT, M. Sani Gwanda. Pour rappel, ces sièges ont été réalisés par et dans le cadre de la coopération avec la FIFA à travers le projet Forward. Nous y reviendrons plus en détail avec les acteurs sportifs de la région de d'Agadez dans le jour à venir. Pour finir, parlons à présent des arts martiaux, n'est-ce pas Adam Eh bien oui, c'est avec du taekwondo que nous allons clôturer les Jeux olympiques de Paris 2024 après la qualification des trois athlètes en taekwondo, dont un paralympique. Le Niger arrache une fois de plus ce jeudi 18 avril 2024 une place qualificative de l'arbitre international de taekwondo, Maître Ibrahim Issa Samsou, au titre de l'Afrique. Il y a lieu de rappeler que c'est la toute première fois de l'histoire du sport au Niger, toute discipline confondue, que le Niger sera présent dans le corps arbitral des Jeux olympiques. Chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro de la semaine. Bon week-end à toutes et à tous. Merci Adam, passe une belle journée. Merci. Dis Samira, qui l'étoile du jour L'étoile du jour, euh, comme on le dit, dans le portrait d'aujourd'hui, on nous fera découvrir Memouna Omoro Basiru, une étudiante qui s'est lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat en pâtisserie et la vente de vêtements pour hommes et femmes. Voici son portrait avec Rafia Abdelhaim aussi. Maimouna Omaru Basiru étudie le management des entreprises dans une école à Niamey. À côté, Maimouna est passionnée de pâtisserie et depuis 4 ans, elle commercialise des produits en ligne. Elle nous explique sa motivation. L'entrepreneuriat a toujours été un domaine qui me passionne depuis le bas âge. Étant petite, je faisais un petit commerce de vente de Apollo. Du coup, une fois à l'âge adulte, tout juste après mon bac, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'entreprendre. Maimouna est appréciée pour sa gentillesse envers ses clients et l'environnement chaleureux et accueillant qu'elle crée autour d'elle. Boukar Abdul Malik, un de ses clients, nous parle de sa relation avec la jeune pâtissière. Maimouna Omar est une personne très passionnée par la pâtisserie et ça fait des années qu'elle excelle dans le domaine. Elle propose les produits comme les gâteaux, les crêpes, en gros tout ce qui tourne autour de la farine. Ça fait 4 ans que j'ai l'habitude d'acheter ces produits et je suis entièrement satisfait. Suley Haman Rabiou, l'oncle de Maimouna, ne tarit pas de loge à son égard. En quelque sorte, elle est touche à tout, comme on dit. Donc, c'est une jeune vraiment dynamique, euh, dévouée à sa clientèle, qu'elle traite euh, d'ailleurs avec beaucoup de respect parce que j'apprécie vraiment ses prestations et je l'encourage à persévérer dans ce sens. Et nous avons besoin vraiment des jeunes comme elle qui se battent pour pouvoir s'en sortir. je lui souhaite bon vent. Malgré sa volonté à bien satisfaire ses clients, la jeune entrepreneur se trouve parfois face à des difficultés. Elle nous raconte. Les problèmes sont multiples dont entre autres la concurrence et le manque de financement. La mauvaise foi de certains clients qui commentent les articles après refusent de vous payer. Ces situations ne l'ont pas découragé pour autant grâce à sa patience, explique Maimouna Oumarou Bassirou. Mon message à l'endroit des personnes qui veulent se lancer, c'est d'abord, avant tout, d'avoir la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pourrez jamais supporter les difficultés et enfin la persévérance. Parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai pu atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, cela fait quatre ans que j'exerce ce métier et je compte réaliser beaucoup de choses pour les jours à venir, Inch'Allah. Malgré tout le temps qu'il lui prend les préparatifs de son mémoire de fin d'études, l'entrepreneur incarne n'a pas perdu son esprit d'innovation à créer des délices. Son engagement envers son projet entrepreneurial illustre sa capacité à transformer les défis en opportunités. Merci Rafi Abdoulaye aussi pour ce portrait, chers auditeurs. C'est avec les titres Akarzaman des Bambino que nous allons clôturer notre playlist d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. C'était à Karzamande, Bombino Samir à présent place au loti du jour qui met l'accent sur l'hygiène dans la cuisine. Et eh oui, tout ce qui sort de la cuisine, Mariam, nous savons où ça va, c'est dans la bouche. Vous l'avez compris, le loti d'aujourd'hui met l'accent sur la propriété, l'hygiène de la cuisine. On écoute Rekia Arimi et toi-même Samira Rouafi.

ifo no bani ifo gadunin hayya wallan ne di ni godi ni godala lamu ifo na te mutkan godala wo goda yaki ne ifo no ni woni gogadi ai wai sig ni se ni wai su sibai ni go bani son sig di kan godala wo zibi zibo wa gano ni gogwai <laughs> ni mo mantakan sai da kese no ai siyaga ai chora wala mantiya dinu ni gitari gunu matkan zibo wo ba gwada lawo ga ai be kaman tun kuna hine ngono na gwada lawo zibiya kine ta sai wo kulkan gogi siga furfur ga sayya sayya nan kulu iga zai gane ni to handu wai kan nin faini mu ta sai ni hey bon zai ga choro ni sidi kan bor sinu kan gaiga dai funu goyodo ai no zan kai salo ai no window salo ai ya walla sin da dam kan ga hayo kan ga ginai margu margu eh irko begi ni ga tansiyon tunan di borra ni lokaci koy mu himgane window woga fuo walnan gizo kan ni himga hagoi da no gabi saya kul zaman wagi zada fatta ne kalmera ni lakal sibatun ni wani ga hamba no den almiya lo wano se ifo ga katti ta sanyi miyan daga hamba ni koi ne hayi wo dumi kan nigiti janga windi salu yan walai ne ni wani kwadala wo kan nugo nan zibira wani bumbogi hinga nan zibi zibai wo mu koi dogi dogi zayin fuyon ku im kaga kwale ngware ga wadin muna aga mate gundukar wal dogi dogi zayin mu koi gudwara mhm mm ome to mata na igite ai muduga ai wani gwadala di to ne bai nan kan dogi dogi zai ga targa ba nan kan hari ga kaino da nan kan tayandi tayandi gono ko ni mu haikul kan ga tizibi ni him ga mogan da dinga ba ga dake ma zai fis mun yan gina wa kan gogi gisin girga kan da ni gunum zai mu kan bu dai gin san ni gin gadan hal ya hare amma mogi ne amma mogi da nan kan ne ga dake wadin gana zibi zibai da kwari haikul kan ga ti kwari iska nan wago do hare wai wai wai wani kulu ome ni wani gahan bano din wani ize wani zam gahan bani wa aba hawa babari aba hm. to ai gidi kan ai gidi wallahi ai bai dai kan ai gai bon fargandi nin dai no ya kal haifu nai ni wanda ke amma ni siba goikin di ha hai a to ya kine ga a to ya din me didi nin tarai mazai imin logo amma di ka nan kan ne gida ke kai kas ai go hangan nise marfo yan mono ga kindi ndi ni gingi sintinda gine kulkan ni bai kan iga tasin yuman dano ni me gisi nan kan iga goidai ni gigi gisi nan kulkan ni ba nan kan gin wagai gisi Wagai kogai maze mu ma kayan da wagai zai kan go kon kon ko yanra a ni gigi gisi nan go hanno im yeg go salu im cinga habu kan ga nan wagai kan ga murmundi ne isi bagu mun go ga sa ku fa'ima kwarin da haifoyancin dukkan dinga koi ne nimnan gizibi margu kalama baya kine Hmm, ai yarda ni ga. Ine ai ga ine cimci yan sikyok tare ka. Ai gabe kan wallahi ni gogoyi a ga taban di mine nim ban wadi nim ye ka ga fu kwai ne ye goy foyente. Amma ni gin goy bi carbonate wal vinegar kwara wal mu mu kaina nimi dan charra har kan su dungu gumra nim tonton ciri kaini fu wadin ga mani manai din kulka ni se ta sai ga abban sadin da ni gaban goyo. Hmm, haya ga himan da kan ga fala, amma ai ga kokari da yadin da ai mate. Ai ga kokarin mu gai ta sai hananan da zadir hino gaban. Ma da le ga wani no ga bori hankai ga ma da yano ya wadin gano ni ya lawaita ga ko bai ni mu. <laughs> to yamma ai sabu ai sabu mise da ya rai wa kanni na ino da irkoi ba ai wani gwadala siye ga zibi koi ne ni siye ka gagar ya kine wadin bisa don subsub da ni gidi mai gida kan dafo tuntun eh ni to nan kan sanno sikano <laughs> du jour euh, proposé par euh, le desk femme du studio Kalangu, écoutons ensemble euh, l'explication du mot de la semaine chaleur en tamashek avec Alamine Ouachar. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la rubrique linguistique. Alamine, bonjour. Bonjour Samira, bonjour à Mariam. Oui, aujourd'hui on va parler de la chaleur. Euh linguistique en انت de تفر تنتوك ماني تا آه، تموس أرت إزاز هارن تمير إموس دي غينرت إزاز هارن سيفات آه، نرت في نصور نصدق آه، تمير تانا هذا تموس تمير تدقت توكسي ولين مرة نيجت توكسي وين ويد المسال تينا كوتنين وين دا فل نرد زهر يتنا معنا انتوكسي إما كوستيتونا نرد فرانسيس تغاني ناشالا توكسي تموصر دغرة تن أدي تاوين المسالة فلقنا ويقضى نصيحة وشارن داراتن روادا تميرتا تموساس ناكرنا دورغاس تورنا وين شيا نقوتنين شيلتا انتورنا نتا بازنين تيرن دا غورسين نا موسنت مرن أدو تزاز هارا توكسي دغري توكسي تموس الوبا دغري جيان إيدا جيان مرن رهاتن فيجس إيجس توكسي دت موس توكسي ورتمو سرت أزن في نقادم دغاس توكسي دغاس ظاهرنا مردست صودا ما يوشارن أويدن أي ترنا موصل لكوكنين دغادي ورفريغاني توكسي تات قدم ردا إدما والناس وردا سفريغان برار ومدرونين أوين دن تنيدا شي رودن شي نبجنني ما نسنت توكسي تا وردنا تكنا تنفاهولي دغ السباب ناس ركمن eitiden winda nasa matagrada timosan bararan shilodan shinabjanan duwisharan dagari tu kisai artu fuduna kala awalna tizlada flas narad agrini tinan almananne tu kisai tilazana fana gutne daratan win duzadarne daga tamirtne daga marid dawadan kuli sanas tu kisai tiga titit afudwar sananitina tu tizgarat امك وستون السنة استزارت دغادي توكسي أراتاس شهور داسينك دويدن اسمني أنمود أنمود وازرن زازينك أت ساسغامان قوتني فلا دورست كنامان وين هانيني لم نويدن ولين فلا قلنا ويقلني وشارن التدوردين بررن وين مدرون بررن وين مدرون وشارن أديولا فلاس إلما ونسن ورتنا هنا ما نقولني نغادي أزدو توساتوك سي إردبويدن آمان وين هانيني لمنيت التقمرن امان دغن الا انتم فتاتا كين دغل منوي فلاس سارتا نازني شاور انا سازن كان انتو دغن فلقنا وقرن اتكنت كين نزني درتا وتني قلن دغادي دامن نار توران دوا دابا تتقرتا تفير تنطوك سنغزو نزلان تنال pour cet éclaircissement sur le mot chaleur. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zagma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et juste euh, maintenant, écoutons ensemble les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ayo kitina na rahila usman hango balla yara ai niger longo hanga e mi sen ai gonda bon ferai gumo zama ai godu ai godu fahama yara e gono labar tabbata ente zankai bon woi borai bon da furta gei bon wai borai sigiro atlata furta gei ga ham zingen dia asub niger kalongo woi ga sintin no zalandi ga koy jumma guruwai tindi fo kalam koi guruwai tindi hin kana ba to ai go ga ibere kan go nyamai fo kam mahamman usman kan sigine gambo ai gubora me da me fo kango balla yara ai no muktar abdullahi no ballar de ne goda ma ai kwara de cibilbeli ai ga hangan lorman ba tabatan tiyan de ni goga salangri sera da er ko tala no ar wallahi aga tirse wo boray jira aga tirse zan kai jira aga tirse wondu ko jira. e alhamdulillah dai nizar sid karangu ki ta tin kul ko alzuma goga ni hangan logo ci kulir gani hangan ni furta je bon gam zinjen mo sibiti hane goy de sabiyan taranga abi ne go balla yara mervo kai nda gorgisineno irgo jarga nyangai mali fo ke gonde tebur ay go iliasu gubais fo mur ker kurnye go ado il kain fo ke sigine adamu go gan fo gan yirbani husaini agozum ay ga hangan asta jokalangusi studio kalangu radio no kan gonda fa mai a gonda labari yan ka ga tunan di borai do kan yan ka te e, e, hayan kan ga borai ga hanganisi ai wodin agira hayan kan ga bon fere no borai si irga hanganisi zama ga dai radio kan ga hayo bobo fo margo margo na lo wano kan igate haywana ga salan an dunya bon iga salan da ko iran charan da borai da kan ga te an dunya ra hanganisi igate lendin e, vendredi wurwai cindi fo ko koy midiga way borai si jiro talata hananigati wichir furta furtaje ga hamzindiyanu gati. hananigati aiga salam madriya bora fogango hal dambanjaraw ashahni ganasi ashah ibni ni adum elmaimunga go nyama bon farmasi bora hinkaga yaku wanda dada aiga salam prefe zena fo kan fatanewo kan hamidu zibo katima aishibai nan kago Thank Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Ici prend fin cette émission de ce vendredi 19 avril 2024. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Maria Mariamade. C'était un immense plaisir de passer une heure avec vous, chers auditeurs. Merci à toi aussi, Mariam, pour ta compagnie. Merci à toi aussi, Samira. L'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique Amina Hassan. Excellent week-end à tous.